Ravi de vous retrouver sur ce numéro. Amuna Monafada, de Fatan Amis jeunes, dans ce numéro, nous nous pencherons sur la question qui demeure au cœur de plusieurs rencontres. Armanya aratangana. de la Haninda. Wannan arman yake da bisa kan karatun na ɗiya mata. UNICEF, arman yara wanda aka ma yaron da bai kai ba shekara goma ba. Au Niger, il est estimé que 76% des filles sont mariées avant leurs 18 ans et 28% avant leur 15e anniversaire. Le Niger a le taux le plus élevé au monde en ce qui concerne le mariage des enfants, se positionnant en tête du classement international. da abin da ya shahi karatun iya mata da taɓa lahiyar jikin nasu da yake yi a lokacin da suka samu juna biyu su mariage et aussi à la base de la déscolarisation za mu santa da matasan dosu musamman ma a ce ɗiya da muka gayyato yau à Nangatibi SSNEJ, le cadre consultatif des enfants et des jeunes, qui nous accueille aujourd'hui. Merci encore pour la mobilisation. Nous sommes avec des jeunes filles de plusieurs structures. On s'applaudit. Aji Kukanana. <laughs> Tarda su yoza mi yaya ne wannan arman yar kankana yake tabo karatun yara iya mata a cikin jihar tasu. Muna da 'yan gaya da suke nan tare da mu de un jihar de na kominu kominu kominu da na zo ta la fada vous aussi la fada c'est sans musique c'est la rubrique qui est rose on continue avec la chronique de Mr. Euh, Mista Oli top c'est parti Impact du mariage précoce sur la scolarisation de la jeune fille de Dosso. Selon des études menées par l'ONG Plan International, dans le monde en 2021, les filles restent les premières victimes d'inégalités. Environ 130 millions de filles, dont l'âge y compris entre 6 et 17 ans, ne sont pas à l'école. Mu Niger, si akasa wata dokar za ta kai shekara mu ji daɗin wannan nous avons à cette fada Furera Hassan de l'Association des enfants et jeunes travailleurs AEJT. Ça va Furera Ça va bien. sois la bienvenue sur tout la fada. Nous avons Mouniratou Oumarou. Nadama. Toi, tu es élève en classe 2 Terminale. Ah, Kadi Himadou. Elle est de l'AEJT également. Ça va Kadi Kina lahiya? Lahiya lau. <laughs> Nous avons Bachira Tougarba, elle est de la page, l'association pour la protection et l'accompagnement de la jeune fille. Ça va Bachira Tou Ça va bien, comment tu vas bien Ça va très bien. À ce moment-là, nous avons Hadjara Jafarou du CCNEJ. Hadjara, oh là là, merci. Bonjour. Bonjour, ça va Ça va bien. Merci encore pour la mobilisation. C'est grâce à toi si toutes ces filles sont autour de la FADA aujourd'hui. Nous avons Tou Ibrahim, elle est également du CCNEJ. Ça va salam. Et nous remercions toutes celles qui sont autour de nous. Euh, nous sommes aujourd'hui une vingtaine. Hein. <laughs> Donc, euh, on va aller direct à la première question de cette émission. Par rapport à cette problématique du mariage des enfants, où est-ce que nous en sommes je vais commencer par toi, du CCNEJ. Est-ce que on est plutôt dans la lutte ou est-ce que la lutte là, elle est en train de donner des fruits on en est où par rapport à, à cette question du mariage des enfants mhm. abin da zan iya cewa muna cikin kwamba har yanzu baske muna nan gai mutane kullum muna nan à part nous les associations même il y a les ONG qui nous accompagnent comme l'exemple des deux ONG que tu viens de citer ouais, UNICEF plan. plan, donc vraiment muna cikin combat et inchallah je dirais que moi à mon côté vraiment et de mon côté continuer des sensibilisations. J'avais l'habitude de rencontrer, lors de nos réunions, hmm. des jeunes filles qui, et qui sont venues vers moi pour dire que vraiment, les parents veulent, les donner en mariage. Donc, du coup, euh, nous, en tant qu'association, nous nous sommes dirigés vers ces parents-là pour les parler des conséquences de ces du mariage des enfants pour eux, pour les deux filles-là, en tout cas, on a pu venir. Messieurs. In kama ya mata sun an sa su lakol, mhm. in suka suna neman shiga wani hali, sai uwayen su ce a'a bar a hidda su daga ekol a musu armi. Oui, kuma wannan dai ne. Peut-être moi, problème in guda da na gani mm. yanzu. Au niveau des jeunes, c'est les jeunes filles même qui veulent se marier. Ok, ‘yan matan su ne ma masu son arman. Kadihi donc To, mm. yanzu cikin zamanin da muke, yaran matan ne ma suke so a yi musu army. ok ai matan ma ke so a musu arme que yanzu kai ka ta gida za ka ekwal a baka kudin rekarasu in ka a ce ka shiga kalas baka shiga kalas suna bayan kur da ragiyo suna buga suna rawa hai to kenan wannan in in uwaye suka gani mina na za su ci kenan wanga kai kakin ya ta ya jayo min kunya dole in mishi armi mm. Eh. kenan yaran ma ne ba su tsaya su mai da hankali wajen karatu yaran ne ma ba su tsaya su mai da hankalin su wajen karatu balantana ma har uwayen su ce suna nan karatu ban hidda shi ban hidda wani ekol in mishi tunda yana son karatu arman eh tunda yana son karatu amma kana nan baka nan ga baka nan ga karatu waɗansu ko wallahi sun iya ba su yi da ni waɗansu kuma mugun abuta ne ga sa su tai su zauna bayan kurba shiga kalas eh, su yi karatu to a ganin ku me mi ya kawo mi ya sa 'yan mata cikin irin wanga situation kin na ba su san karatu sai army akwai da ta ba wannan eh, fallilatu ibrahim mhm, du CNEJ a ganin ki Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kuma na gani mun yi remarke kamar 'yan mata suna sa kishi ne. Sun ga kamar sai su ce sun ga waccan a bike su ta yi aure sai su ce hmm. su ma sai sun yi aure. Ko kuma uwaye sai su ce sun ga ɗiya wacce ta yi aure su ma sai su ce sai sun sa ɗiyansu sun yi aure sai su rika kishin juna. Suna cewa sai sun yi aure hakan ga. Shi dai ne abin da nake so in kara. Oh. Yo kuma auren wannan wani miki atiransu cikin shi. que kun gane abin da ke atiran su cikin wannan arman cikin rayuwa armen yara kankanan ga mhm. gaya mun sunanki mon nom c'est na fisatu Ok, na fisatu mhm. Selon toi, c'est quoi qui les attire dans... En fait, euh, c'est... Cette vie, cette vie qui est le mariage. C'est la société mhm. qui... Jara, euh, c'est eux qui mettent la pression sur les jeunes filles en disant que si elles partent faire les... Jara, euh, de faire les longues études, elles n'arrivent pas à se, elles n'arrivent pas à se marier. Donc c'est eux-mêmes qui, qui mettent de la pression sur les jeunes filles à se marier à certains âges. Parce qu'ils vont dire que si la personne dépasse les 25 ans, les, 26 ans, elle ne va pas se marier. C'est pourquoi eux, elles se marient dès de, des âges très, très bas. Ok, haka ake cewa sani ba kuma da yarintan nan in kai armi yana mm, kama ka matsaloli da yawa eh. yaro in ba kai armi ba kacce kai armi yana kama ka matsaloli da yawa mm-hmm, su bu mm-hmm. son da wannan ba mm. uwayen bu sani ba su ma yaran ma da suke so su sa kansu su ma bu sani ba matsalar da zai ka musu in sun yi armi mm-hmm. Ayara. Ah, Par rapport à la question là, mm. qu'est-ce qui les pousse à se marier Qu'est-ce qui les attire vraiment dans cette vie, le mariage là D'abord, il y a plusieurs raisons. Il y a hmm. d'autres, surtout dans les villages, il y a la pauvreté. Il y a la pauvreté. Il y a l'insécurité alimentaire. Tu vois, là, quand tu parles là-bas, tu demandes pourquoi vous avez donné ces enfants ce mariage. Elle va, et les parents, c'est qu'ils vont nous dire Ah, il y a l'insécurité alimentaire, ils ne peuvent pas prendre en charge tous leurs enfants. Il y a, à part la pauvreté, l'insécurité alimentaire. Et si par exemple, moi j'ai une amie qui s'est mariée, c'est comme elle l'a dit, je, je serais, comment on dit, j'aurais je, j'aurais l'idée en fait moi aussi de me marier. Ouais, ouais. Parce que quand je pars chez elle, elle va m'expliquer certaines choses en fait qui vont me pousser à me marier. Ok. Voilà. Et généralement, mm-hmm. comme vous le savez, nous les jeunes filles, nous sommes ce que nous sommes. La majorité aujourd'hui des jeunes filles ne restent pas tranquilles. Elles ne peuvent pas s'abstenir. Donc du coup, quand l'autre se marie. Les conseils que ton ami va te donner, une telle va te marier, c'est mieux que tu pars faire la prostitution ou bien de faire ceci, cela. Ok. Voilà pourquoi, vous voyez. Et moi, la raison pour les, les parents, même surtout, c'est qu'ils disent, ils vont dire que, ah, il y a les jeunes filles aujourd'hui, elles ne restent pas tranquilles, elles ont peur qu'elles tombe enceinte ou bien qu'elle fait euh, quelque chose. Ana gudu su shiga cikin ana gudu su shiga cikin wani hali ko su su jawo musu magana he su je to a ta aita arma. Voilà. Après, kina so ki magana? Je me présente au nom de Bachira Togar Mpangese. Je suis la secrétaire de l'administration et en même temps la chargée à la scolarisation de okay. la jeune fille de l'association pour la protection et accompagnement de la jeune fille à Page. Mm. En ce qui concerne les mariages d'enfants, les parents même ne connaissent pas les droits de, l'enfant. Les enfants ne connaissent même pas leurs droits en tant que tels. Parce que si les enfants ont des connaissances sur leurs droits, ils, ne vont jamais accepter à ce que les parents leur donnent en mariage avant l'âge. Ça, c'est quelque chose qui impacte la scolarisation de la jeune fille. Énormément leur scolarisation, d'accord. On va voir, au fait, euh, dans cette vie, est le mariage qui attire tant les jeunes filles. Qu'est-ce qui bloque leur scolarisation Poursuivre euh, ce débat. Mais avant cela, on va aller écouter la rubrique rose de l'émission Tous à la Fada et on se reprend juste après. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Coucou amis jeunes, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de la rubrique rose. Le froid pointe le bout de son nez. Dans la rubrique rose de ce samedi, et nous verrons plein de bons plans pour prendre soin de vous. En cuisine avec moi Bibi, on parlera de boissons chaudes pour se réchauffer pendant le froid. Puis dans l'espace santé et bien-être, nous allons parler de crevasses aux pieds. Et enfin avec moi, nous verrons comment bien prendre soin de ses pieds. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. C'est Ruki qui revient là. Aujourd'hui, nous allons vous parler de crevasses aux pieds. Avec la saison froide qui s'annonce, il n'est pas rare de rencontrer des gens dans son entourage qui souffrent des pieds fendillés. Alors, j'ai fait des petites recherches sur le net qui m'ont permis de vous éclairer sur le sujet. Nous allons d'abord parler des causes de crevasses au talon. Le manque d'hydratation de la peau est l'une des principales causes d'une peau sèche. Le talon forme d'épaisses zones de peau rugueuse pour se protéger. En conséquence, la peau n'arrive pas à se régénérer correctement. Au début, la peau fissurée n'est qu'une petite plaie, hein, mais elle peut rapidement devenir douloureuse. Lorsque les crevasses aux pieds ne sont pas bien traitées, elles peuvent provoquer des saignements et des douleurs dues à la pression. D'autres facteurs peuvent provoquer une peau crévassée, tels que le surpoids, le diabète et j'en passe. Les maladies chroniques de la peau, comme le psoriasis, peuvent aussi provoquer une peau crévassée. D'autres éléments peuvent être responsables des crevasses de votre peau, telles que les conditions intérieures chaudes et sèches, ou une exposition à un climat froid. Je vous laisse avec Fanta qui va nous dire comment soigner justement les pieds. Coucou les filles, alors avec moi aujourd'hui nous allons voir comment bien prendre soin de ses pieds. Un must aussi pour la saison froide qui s'annonce. Pour cela, vous aurez besoin de l'eau chaude, ni trop tiède, ni trop brûlante non plus, de deux gros citrons qu'on va découper en morceaux, d'un verre de vinaigre blanc, d'une cuillère à soupe de bicarbonate de soude. Donc on mélange le tout et vous trempez vos pieds pendant au moins 20 minutes tout en frottant de temps à autre avec votre pierre de ponce. Ensuite, on passe au gommage maison pour les pieds. Donc pour l'obtenir, on ajoute deux cuillères à soupe de miel dans trois cuillères à soupe de sucre brun, de préférence ou bien du sucre blanc. Donc vous enlevez vos pieds de l'eau, vous faites un petit massage avec le gommage pendant au moins 5 minutes et vous rincez le tout. Donc pour terminer, vous appliquez du beurre de karité sur vos pieds. Et voilà, c'est fait. On passe à la cuisine à présent, amis jeunes, avec le froid. S'il y a quelque chose qui fait du bien, c'est aussi une tasse de thé de tisane bien chaude. Et il est possible de varier les goûts en ajoutant des plantes aromatiques, des épices ou encore des fruits. Dans la rubrique de ce samedi, nous verrons quelques ingrédients à privilégier. Pour le thé, privilégiez le thé vert. Le thé, de manière générale, constitue un soutien de choix pour contrôler les effets du froid. Riche en antioxydants, le thé permet d'éviter les baisses de régime et réchauffe votre corps à coup sûr. Toutefois, comme tout aliment, le thé doit être consommé avec modération. Trop de thé risquerait d'entraîner des palpitations cardiaques. Pour préparer votre tisane naturelle, vous pourrez donc varier selon les goûts et les bienfaits associés à chaque plante ou épice. Vous pouvez bien entendu trouver des mélanges tout près dans le commerce ou tenter vos propres mélanges à partir de produits frais. Pour être la reine des boissons chaudes, ayez toujours de la menthe, de la citronnelle, du basilic frais ou séché. En ce qui concerne les épices, cherchez de la cannelle, des clous de girofle, de l'anis étoilé, de la cardamome ou encore du gingembre. Les agrumes, c'est super important pour nos tisanes et nos thés. Il faut avoir du citron, des oranges, de la mandarine, de la pamplemousse qu'on peut utiliser ah, le zeste, le jus ou encore la peau dans nos tisanes. Merci bien, c'est tout pour aujourd'hui. On se dit à demain pour encore plus de bons plans contre le froid. but you're gone like a ghost. Voilà, c'était la rubrique de l'émission Tous à la FADA. On revient aujourd'hui à la FADA installée au siège du CCNEJ d'Osso. Nous sommes avec euh, Frère Hassan de l'Association des enfants et jeunes travailleurs, AEJT. Nous sommes avec Mouniratou Oumarou, Kadi Hamidou, Bashira Tugarba de l'Association pour la protection et l'accompagnement de la jeune fille, Hadra Diafarou du CCNEJ Falilatou Ibrahim du CCNEJ également et toutes les autres filles qui nous accompagnent sur cette émission. Yo hira da muke nan gai bisa kakanda arman yara kankana yake taba karatun su. Yanzu za ni cigaba da wannan hira tare da ku ma kina so ki magana tun dazu na gani. Zan baki micro gwamnati muna iya cewa gwamnati ya ɗauki dokoki da yawa pour protéger la jeune fille en tout cas pour sa scolarisation da hadda da ma bisa kan harkan arman duk da text international et même nationaux muna so mu sani wai protection kin wannan akwai shi ya da structure eh, da ya mace take iya zuwa ko ku association kuke zuwa in ba anan ga kula da hakinta in dai ba anan ga kula da wannan dokokin da aka dora vous avez des des structures qui vous accompagnent dans ce sens batun an kawo kara haka haka eh vraiment ni ifani ne mannan mm. je passais une information en hajara mm-hmm. wani ainihin wata budurwa eh. da ake so a yi mata armi haka amma mm. ba ta son saurayi da ake so a yi mata armi mm. bincin ba ta son shi kuma tana karatu na dalilin wannan mutum na shi ya ta ekule bata mata takardu ya ce a ce an yi ranwa ya na. kuma haka take zaune da turazem za ta yi manna sai ba ta yi turazem kin ba bara to mm. da turazem za ta yi bara yanzu duka abokananta sun samu bps ita tana zaune a gida kun ba a yi arman ba kun ba a yi arman tacce ba ta su na kai kara wajen ajiga ajiga ta ta yi ban san kaka an kai da su ba vala vala da ni ban san yadda an kai ba hajara zan dawo wajen ki yaya ne tu peux kuma dire comment ça Kamar ana so a mata arme na ce mawa ya ce ma wani kuzan in shi da yana da mata biyu ma ana so ta yi troisième fam kuma tana nan ga yi troisième ko mm. tana nan ga yi troisième na ce mata ba ta nan ga karatu ne ta ce min tana nan karatu kuma la fille vraiment tana da karatu akwai ilimi eh tana da ilimi yanzu da ta kwatanta min na tambaye ta na ce eski muna iya zuwa wajen faran inki sai ta ce min tana jin tsoro saboda ana buge ta yanzu parce la village je pense elle est orpheline de mère hmm. yanzu da mun da na tambaye ta ce ana bugunta na kwatanta mata da mu association ne ba wai saman maganan ta za mu tayya muna zuwa ne da le cadre de faire une sensibilisation aux parents sur la thématique. Maintenant, quand elles vont nous écouter, peut-être elles-mêmes, elles vont nous dire quelles sont les conséquences pour, eh, du mariage des enfants. il Je suis d'accord matala mon ka des formulaires comme ça, des questionnaires sur les mariages des enfants, mon ka au début on n'est pas rentré dans leur maison hmm. mun ka shiga ne cikin wani gida mun kai ne abun ga kaman mun ka shiga ne mun ka ce bon muna nan gai sensibilisation ne me za mu shiga waccan gidan mun dai jima ka dan waccan gidan après mun ka dawo cikin gidansu hmm. akwai technique gaskiya eh. <laughs> kuna da technique yanzu <laughs> yi sun ka zo sun ka zamna mun yanzu mun ka i presentan kan mun ka ce mu association ne muna nan gai ne wani sensibilisation da wasu tambayoyi da muna so mu yi ma uwaye yara sun ka ce mun babu babu matsala mu zamna yanzu mun kawara yin hira haka mun kawara yin hira elles ont répondu les conséquences elles qui, qui nous ont donné les conséquences du mariage après la après mun ka ce to za mu tai za mu dawo après sai sun ka ce mun déjà ma suna da wani idée de donner la fille en mariage su da kansu mm. na ce musu est ce que sa mama ela sai sun ka ce sai yin orphelin na ce to dan mi kuce so ku ba ku ya abunga ku ba ta armi sai ta mm. ce sai sun ka ce a ah, yanzu ita kadai ce nan ga epi yarinya ba ta na kurmu kaza kaza mu na ceto yanzu ku ne a uwaye saboda mamanta ba ta nan yanzu sai a vumen na vraiment de prendre bien soin d'elle c'est une orpheline na ce su bar ta yanzu ta yi karatunta ni in suna bukatan wani abu moi je peux la je peux prendre certaines choses

une lutte. Voilà, voilà. Des résultats. Des résultats, c'est vrai, isolés, mais quand même, ça bouge. Oui. Et vous arrivez à faire quelque chose. Yanzu, abin da nake so in sani, a ganin ku, wannan arman da ake sa wa'annan ɗiya matan, mine ne ke da ku a cikin shi da ke iya hana su karatu? Paske que wani wuri sai a ce, a'a, arme bai hana karatu. A ganin ku ya ne arman wannan da ake musu cikin wannan jihohin yake iya hana su karatu? Akwai wanda ke iya bani amsa, me yasa safe fa marshe? Muniratu Umaru, aure bai in aure yana karatu parfaitement mm. akwai wasu vraiment wasu kuma pour quelle cause quand tu as le mari que tu as marié vraiment lui il est compréhensible vraiment ça peut marcher Mm. Parce que si tu, tu, te lèves très tôt, tu fais tes tâches ménagères avant l'heure, tu peux aller revenir sans problème. Ouais. Mais si tu as une mari, que pour lui, vraiment, ça ne peut pas. Akwai hausa me ba da yawa <laughs> In kai aure eh. da wani miji, da shi bai gane abun da aka haka. Mm. Aure bai iya kutai tare da juna. tun da shi abun da zai sa yana gani kana aure kuma kana wani abu bai iyawa mm. amma wasu kuma in suna ganewa yana iya ta ku ci gaba da juna aure bai lalacewa okay karatun ki bai lalacewa in ka gamu da kamar in ka gamu da miji wanda ke gane maka karatun ka bai lalacewa bai lalacewa tunda in ya baka authority kana ta kai karatun ka ka zo lahiya lau amma wasu kuma ba su ganewa in suna ke suna auren ka su kai continue karatu amma in fuwa in ka zo gidansu suna hana ka su ke ai ba su karatu ba bisa shi sun ka doka mai devon turman suna ke sun yarda da ai aure su tai amma in an yi raure ba su yarda su ke sai kai abandone ka yi zama ok la encore c'est on sent que c'est dans les villes quoi kama cikin cikin garuruwa ne cikin ƙauyuka wannan arman na ɗiya mata akwai saro san blue in aka ma mace armi a ƙauye premièrement c'est les tâches in kana aiki gida tuma ya kamata ka tai rijiya ka doka ruwa mhm. ka zo ga tuwo da za ka yi tunda su can kauye in sun yi aure kikin giran da suke zama eh, tare da eh, uwayen miji suke zama mhm. kenan in sun zama can akwai aiki za ka yi ka za ka yi doyi ka ba kowa da kwano kwano Kama in lokaci ya kure ba ka iya ga ku su in ka doka wasu in suna da debi ba su iya tenir kenan dole tuna palo shuwa ci a abandoni aiki da aka yi don ka sai fa fasi can mutum kana karatu kana aiki tunda aiki ga aiki nan gaban ka baka iya ta yi baka mai kama maka ya yi aiki mhm, mhm. kenan da wuya ka yi karatu can cikin kauye in kana nan sharifatu <clears throat> ina jinki wayanda suke kauye haka mm. la plus grande problème c'est que dubangu me haka ta ah, hausa duban ah su suka eh. eh shi na an mai biya ka tai dubangu a kawo maka boko ka tai su suka a kawo maka boko sai a ce ka surha biyu ka su suka biyu ga hannunka kuma ka dawo kaldadin ya gasa sabu kuma ka so yakin nan ka daka aka kawo maka yakin nan ka tuka eh ka tuka tuwo ka je su suka ka zo ka yi sirhe to a ce mutum yana class de 6e ka za ka yi ta même si c'est en CM2 Ka ka za ka yi ta za ka tashi tun 8 su ta ka yin duk wayannan ayyuka kun ji dai ya matan wannan abin da ke jawo su yasa su cikin arme kuma kala-kala ne wasu kuma ga kwaɗai ga talauci ji kake in ka je can za ka samu abinci da baka samu a gidanku ba kuma wannan arman haka yi shi ba karatu ake iya yi ba yau suka kai sirhe kai tuka tuwo kai ko karatu kai kan mu ci gaba da wannan hira a mu na fara za mu shakatawa da ai sai babara wanya bin komai na nogota ai ga kan ba kan makan fondo la la la la ai watakoi aiwe ndivo bakoi aigagai aigano haiga konzo aikaimino haigambagulmanino makakwayantira aine hainino moda alfare ingane ainino arzakante ingano aigarate haubo zangu barma waiguda ido nikwarajatuno naiganyido sungo ailakale kule ninse ilebo lemana heji makulai simargo busanine kan asinda sika

badaika isibegyasi yaringara isiba bora nyaora baba masaidole siba bora

Biscuits agriculture nga tunda c'est la famine qui tire les gens vers certaines choses il faut être, il faut avoir le ventre plein d'abord mutum yake koshi sannan na wa'ansu abubuwa za su iya zo kamar dai ga yarinya ga yarinya gidansu babu tuwo eh, wanda za ta iya ki tun da sahe kahin ta yi ekwal kun mhm. gane ga yunwa ga abun ga kamar dai la voie qu'elle va traverser à pied pour aller à l'école in ta ta eh, kwalma ma babu eh, recreation kamar dai babu kudi eh, da zai ishe ta ta saye abinki da za ta ki in babu abun ga in babu koshi a hakan ga gaskiya koshi gaskiya wannan wannan abu ba zai yi wa ok il faut lutter premier d'abord la nourriture ouais, la nourriture to zainab abdullahi ina so in sani a ganin ki akwai il faut s'attaquer pourquoi dukkan wannan lutkin da ake nan ga mene Eh, har yanzu muna nan dai eh, da maganar da wannan ya fada abash yana da gaskiya yanzu ka ta yi ekol kana mm. cikin abokanci suna nan ga ci abinci ga ci nan kina jin yiwa ai kun san yiwa bai karatu da karatun za ka yi fama ko da yiwa mm. da wanne za ka yi fama in ka gani kana jin yiwa ai dole sai ka ta yi wata ranka hiran kwantare da wani samari yana baka wani ko dala biyar ne ya baka ai kana iya saye dambu kai biye shi ya aure ka ka samu ciki to ina dala biyar zai ci da kai har yadda yake cikin cikinka kun san ai ba zai yi ba kenan ke ma kin yi rejoindre Ba eh, apash bashiratu a fara yaƙi yunwa tukuna ga mun sunanki alaikum salam furera hassan ce ko na furera hassan mhm, furera to ni dai a gani na mhm. abin da ya kamata a yi mm. iyaye ne ya kamata su kula da yara tun da yanzu kana yaro baka san yadda za ka yi ba ka ci kana class de sai e ko kuma jardin dole uwayenka ne za su kula da kai ka samu ci gaba to tun gida ba a baka abinci ba baka ci baka koshi ba ko kuma tun can gida ga aiki in ka tashi tun da sassahe yaro kanana a sa ka aikin kwanoni ka wanke kwanoni ka yi shara ana so yara in ka tashi tun da sassahe ka yi ka kahin ka tai ekwal don ka gane abun da ake yi to kai ka zo an sa ka aiki baka ida balantama da wuri ba ka tai retar ekwal ka shigo cikin kalasmi an kai tun da hwari ka shigo kai baka san abin da aka yi ba kuma tun can gida ba a kula da kai ba baka ji ka koshi ba kenan ya kamata dole a kula da yara ko jire furera eh, hadara ni dai a gani na eh eh kuma undi abin da ya kamata a yi da abuwar sensibilization muna nan muna ta yi muna yi ONG na yi kowa da kowa yana yi bancin shi ni magana da zan kara saman wa'annan mm. da créer des activités génératrices et revenus yanzu ko kana école kana iya yin wasu sana'a kaka da zai da ka samu kudi ko yin tofi tofi yin wani menene menene da zai kawo maka kudi ka dan samu au moins pour te satisfaire les besoins yanzu ouais. voilà ce que j'aimerais ajouter kuma il y a les, les comment on dit dokoci da anka da eta abunga mm -hmm. normalement nous hannu akan su ba nous eh. en tant qu'association abun da de faire la promotion de ces de ces de ces règles de ces règlements là ouais saboda mutane suna na uwayen mu ba su san da règlement règlement in nan ba da ko sun san su suna ca su sun kayan ƴaƴansu eske yana kallon su yanzu su de faire la promotion a ci gaba da fadakarwa a ci gaba da waye musu kai bisa kan eh. dokokin da eh, gwamnati ya dora bisa kan sun san mhm. da consequence sun san da ko na mariya da fa me salman dokokin da eta sun ka dauka ne ba su da matsanancin ba su da masaniya akan masaniya akan abu wala sai ke shimare a jute to an yara ta ce a ci gaba da fadakarwa. to mu taba makan mu taba makan mu taba makan <laughs> et on se dit officiellement au revoir les filles Salut les amis de la FADA, bonsoir et bienvenue dans la chronique de ce soir. Ce soir, j'aimerais qu'on observe une des fonctions les plus essentielles dans le monde du digital. C'est la fonction copier. Oui, dans la chronique de ce soir, nous allons revenir sur cette fonction aussi utile que stratégique. La croissance économique du monde nous fait comprendre que dans cette compétition mondiale, le fait de copier sur l'autre n'est pas quand même une mauvaise chose. L'exemple des États-Unis d'Amérique qui se sont laissés devancer par les Chinois, plus copieurs est une raison de plus pour que l'on copie copier le modèle économique occidental, ensuite l'améliorer, le peaufiner, ensuite le déployer. Telle a été la stratégie de la Chine qui aujourd'hui fait partie des puissances de ce monde. Amis auditrices et auditeurs, dans la marche du monde, la copie des initiatives qui marchent ailleurs est une stratégie, pas une faille. Comme le dirait l'adage populaire, on ne refait pas le monde. Dans notre utilisation du digital, il est fréquent de voir qu'il y a des gens ou des internautes, pour la plupart jeunes, qui copient les initiatives de vidéos drôles, de clash entre personnes interconnectées ou encore des challenges vidéo. Mais il est rare de voir des jeunes se copier en train de faire une bonne action. Sur Internet, les mauvaises habitudes se copient plus facilement que les bonnes. Quelqu'un dirait, c'est malheureux, mais c'est comme cela. Cher ami, et si la prochaine fois vous copiez une bonne pratique ailleurs et que vous allez répliquer chez vous Dans l'espoir de vous retrouver dans un nouveau rendez-vous, je vous rassure que cette chronique, elle n'est pas une copie, elle est vraiment original. Paix, lumière, amour sur vous. One big love. Ciao, ciao. C'était la chronique d'Olivier. Merci à toutes ces filles <laughs> qui sont autour de nous aujourd'hui, toutes ces structures qui nous accompagnent sur la FADA spéciale scolarisation de la jeune fille, mariage des enfants, impact du mariage des enfants sur la scolarisation de la jeune fille. abonnez la fada. diya mata dai ya kamata a ce an ci gaba da faɗakarwa an ci gaba da waye ma uwayen nasu kai bisa kansu kula da su su ci da su su ne ya kamata su ci da su kuma in gwamnati tana iya ba su daman samun dan abin hannunsa abin da za su sawa a bakin su zai kare su da su je saboda kadago a zo ga abike ta ta gai ka je ka yi arme don ka samu wanda baka kadago don ka sayi dambu wannan dambun na kadago ba za ya ci da ka ya ci da dan da ke cikin cikin ka sai mu ce أهو تالا هي